Nijan Amide Lafada, bonsoir en uwa matasa, barkan ku da haka barkan sa kasanta tare da ku a cikin wannan shirin bai sun kwako na karshen mako daga Studio Kalangu. Shirin ma da fada kenan, yau kun munya da zango a wannan fili wanda ba bakon mu ne ba, filin gunci yana kenan kuma zamu karkata akalar firar tamu akan musgunawa jinsi, musamman irin zantutukan da ake yadawa cikin al'umma, canfi ne, zance ne daga cikin al'adu wa'anda ke karawa wannan matsalar ta musgunawa jinsi nauyi. Nous allons parler euh, des différents types euh, de mythes sociaux qui amplifient les violences basées sur le genre dans nos sociétés. Les violences basées sur le genre, BBG se réfère à des actes euh, de violence dirigés spécifiquement contre une femme, un homme, un garçon ou une fille, à raison des rapports sociaux inégalitaires qui régissent la communauté ou la société à laquelle appartient l'individu. Et parmi les facteurs euh, qui accentuent ces violences, il y a certains mythes qui se sont installés dans nos sociétés, et c'est justement de ce sujet qu'il sera question dans la FADA d'aujourd'hui. Et pour en parler, euh, ce soir, nous recevons d'abord euh, Samira Boubakar. Elle est cofondatrice de l'association James. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous Ça va bien, bienvenue dans notre FADA. Merci beaucoup. Nous avons aussi euh, Souleymane Selha. Il est étudiant en biologie et membre de l'ARDES. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous dans notre FADA. Merci Il y a à côté de Suleiman Taifou Ousmane. Il est aussi membre de l'ARDES. Bonsoir et bienvenue dans notre fada. Oui, bonsoir. Et la jeune fille qui vient tout juste de nous rejoindre, bonsoir, présentez-vous. Bonsoir, moi c'est Cissé Aïcha, je fais partie de la community manager de GEMS, l'association GEMS. Bienvenue à toutes et à tous euh, dans notre fada. À la technique, euh, nous avons Seni Isaka et moi c'est Fanta Chamsou pour la présentation. Masauraran mu yau a cikin fadar tamu da ta da zango anan gunti yana kamar yadda muka faɗa za mu tattauna ne akan wasu zantutuka da ake yaɗawa tsakanin al'umma wayanda kan ƙara haɓaka matsalar musgunawa jinsi. Canfi ko daga al'adu suke kuma daga cikin addini. Et dans la première partie de notre émission, je vous propose de parler de ces mythes, de faire le tour. Quels sont ces mythes qui amplifient le problème des violences basées sur le genre Je vais commencer par vous, Samira. Vous êtes euh, cofondatrice de GEMS. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu euh, très brièvement nous présenter cette association L'association GEMS veut dire Girls Engaged in Medicine and Other Sciences. GEMS vise la promotion des sciences et nous faisons la promotion des droits des femmes de, et nous luttons également contre les VBG. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous donner des exemples spécifiques de, ces croyances, mythes qui, selon vous, accentuent les violences faites aux femmes ou aux hommes au Niger Vous avez bien sûr les inégalités de genre, selon lesquelles les femmes sont moins fortes que les hommes. Il y a quelques jours, nous avons fait une formation à des jeunes filles et ces questions ont été évoquées avec elles. Et je peux vous assurer que, n'eût été cette formation, elles auraient gardé dans leur tête que les femmes ont moins de capacités que les hommes. Il y a aussi les traditions que nous agençons avec les croyances religieuses et qui contraignent les femmes à rester dans certaines cases plutôt que à s'affranchir et à explorer d'autres horizons. Tous ces aspects, traditions, incompréhension de la religion et l'éducation reçue font que les femmes sont, et peut-être parfois même les hommes, parce qu'il y a aussi certaines croyances qui font que l'homme doit être fort, l'homme doit avoir le moral, l'homme ne doit pas montrer ses faiblesses, un homme ne pleure pas, un homme n'a pas de faiblesse, qui font que on met des personnes dans des cases spécifiques alors que dans un homme, il y a une part de féminité et dans une femme, il y a une part de masculinité. Et c'est toutes ces incompréhensions qui font que ces violences basées sur le genre progressent rapidement dans notre société. Merci beaucoup Samira. Zan karkato wajen ka Malam Tsalha. Barka da zuwa a cikin fadar tamu. Kana daga cikin kungiyar da ake ce ma Ardes ko zaka gabatar muna da ita wannan kungiyar kaɗan? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ardes kungiya ce na malamai. Bon, Alliance religieuse pour le développement social educatif economic et sanitaire to a kan wannan shigon namu wanda muke nan ga tattauna akan kan shi a yau wato zantutuka imma wanda suka to daga cikin al'adu ne ko addini ko wasu canfi haka da ake yada cikin al'umma wanda kan ƙara haɓaka musgunawa jinsi samira ta kawo mana ɗan ƙarin bayani kaɗan eh lalle haka ne kwa eh zantutukan nan da suke da ake suke faruwa da ake samu saman kan harkar musgunawa eh, mata ko mata ƙanana surtu saman kan abin da ya shahi eh, bambanci na jinsi nuna cewa kamar namiji shi kamar ya himmace eh, duka shi irin wannan abubuwan da yakwa eh, abin da abin da addinin musulunci kuma bayar da shi bakwa tunda addinin musulunci ya ba ma kamar ya respectan mace sosai ya ba ta inci wanda kamar wanda ake bambanta a ce namiji ya himmace kwa ita ma mace tana da inci nata na Eh, abubuwa jiya wanda shi ma namiji yake yin shi kwa. Kana magana taifu ma na yi shi ma ina eh, ji yana da ƙarin bayani akan wannan jigon namu. Abin da zan kara bisa kan abin da abokina ya faɗi eh, shine kamar yadda ya ce addininmu na musulunci da ya zo sai ba kowa intin shi kamar yadda ya ba ɗiya masa intin su. haka ne ba ɗiya mata su ma su tunda muka diba addinai na baya wanda kahin zuwan musulunci zamani kenan ana kiran shi zamanin shahiliya da ake cewa mm-hmm. eh, ya mace bata da wata kima a idan mutane idan shama'a ta shi wannan zamani kenan hatta kasance an ɗauke ta kamar wani abu kaya haka wanda ita ma ana iya cin gadanta kamar babanta in ya rasu a ah, ko kuma wani mijinta in ya rasu sai a hadda ita za a gama a raba gado cikin a ba ma a bata gado ba a tana daga cikin gado ita kankanta tana kanta tana cikin gada sannan ya kasance in aka haifan ma diya mace eh, sai ranka ya ɓace wanda yake sawa ka ka tai wasu suna binne ta ma da ranta a rami a sata. kuma akwai lokacin da ka tai ka kashe ta ana dai musguna mata ana musguna mata wannan har eh, bayan zuwan addinin musulmi yanzu sai samo mata yanci sai ce kenan mace yanzu ya kamata a ce eh, a ta incinta ya raba ya bata gado maimakon da ana cin gadonta to yanzu ita ma tana da kaso cikin rabon gado da za a yi mm-hmm. kenan wannan shine abin da zan dan kara kaɗan bisa kai abin da dan wasu suleiman ya so ya yi magana a bisa kan shi fi usman kenan shi ma mamba na wannan kungiyar ta ardes et eh, maintenant je vais me tourner euh, Sisi qui est aussi membre de l'association James. et euh, ils ont parlé euh, de quelques types de mythes euh, qui accentuent les violences basées sur les genre. Ils ont plus pris les côtés, le côté religieux. Est-ce que vous avez des exemples à partager avec nous à propos de ces mythes-là qui euh, amplifient les violences basées sur le genre Sans parler du côté religieux, il y a aussi le fait que dans la société, on prend le contexte nigérien. Dans la société nigérienne, moi, je dis que les mariages forcés, les mariages forcés. Peut-être les parents qui n'ont pas les moyens, qui ont plusieurs filles, ils vont précipitamment donner leur filles en mariage, sans même le consentement des enfants. Donc, euh, quand les filles, elles se marient et tout, peut-être que les parents, c'est l'argent qu'ils ont vu et ils ont donné les filles en mariage. Dans, dans le foyer, maintenant, les filles, elles n'aiment pas les, les, hommes. Et puis, ça va entraîner des problèmes. Et la violence est basée sur le genre, là. Je pense que c'est pas seulement au niveau des femmes. Les hommes aussi peuvent être victimes de VBG. Il y a des femmes qui, martyrise les hommes. Il est violent, il, leur font du mal. Juste que, voilà, comme c'est l'homme, c'est très mal vu dans la société nigérienne d'aller se plaindre à quelqu'un, voilà, ma femme, elle m'a battu, ma femme, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Euh, Parce que, comme l'a dit Samira, elle doit être fort en fait. Voilà. Et ne pas montrer ses faiblesses. Si, si. <laughs> Et puis, prenons encore l'exemple de, de l'université, le cadre scolaire. Les filles qui sont à l'école, elles vont tout faire pour euh, arriver à leur but. Par exemple, elles vont faire tout pour avoir les, notes. Si il y a ce professeur-là ou bien même ce responsable-là qui n'est pas vraiment responsable, la fille, elle va vraiment se donner à lui pour avoir les notes. Et quand ça va pas et tout, elle se fait agresser. Et puis même le contexte de, l'université. Tardivement, quand les filles, elles rentrent, elles se font agresser, elles se font violer, elles se font... On peut tout leur faire en fait. Mhm. Et là, elles ne peuvent pas aller se plaindre à la justice. Parce qu'elles se disent non, on est dans un pays musulman. Et qu'est-ce qui m'amène dehors à des heures comme ça jusqu'à ce que je me fasse violer Ou bien même quand elles sont violées là, elles ont honte de le dire. Parce qu'on ne va pas vraiment les prendre au sérieux. Et c'est elles qu'on va, on va accuser. Donc euh, je pense que c'est tout. D'accord, merci beaucoup Aïcha Samira, est-ce que vous pouvez nous dire euh, d'où ces mythes là tirent leur origine la plupart des, des mythes qui alimentent viennent de personnes qui ont intérêt à ce que ces mythes là persistent si aujourd'hui on casse le mythe selon lesquels la religion donne des droits spécifiques comme l'ont dit mes frères aux femmes la religion n'oblige pas la femme à faire telle chose contre sa volonté. Même le mariage, il faut le consentement de la jeune fille. Mhm. Je suis mariée. Le jour où on est venu demander maman, mon père m'a demandé tu veux. On dit, on ne donne pas son consentement verbal par respect, mais quand même, qui ne dit mot consent On vous pose la question. Est-ce que vous voulez Mais ces personnes-là qui obligent les jeunes filles à se marier tirent un avantage de cela. Que ce soit les parents veulent l'argent, que ce soit les leaders religieux qui veulent que ces jeunes filles de bas âge leur soient données en, mariage, ce sont des personnes qui tirent un avantage particulier de la persistance de ces mythes. Et ce sont ces personnes-là qui divulguent ces informations. Je peux vous assurer que dans plusieurs faux prêches, moi je préfère les appeler comme ça, vous entendez des informations qui sont complètement fausses, qu'il faut vérifier, revérifier pour se rendre compte que c'est faux. Mais vu que dire la vérité n'arrange pas, on préfère camoufler ça sur tradition, mélange, religion. La technique me fait signe, hein. il est temps pour nous hein, de passer à la rubrique rose. de studio eh, eh, la rubrique rose Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Thank you. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Samira Rafi et je vous souhaite la bienvenue dans la rubrique rose de la Fada jusqu'au bout des ongles. En tant que femme, nous avons plusieurs étapes qui succèdent dans notre vie, jeunesse, adolescence, majorité et j'en passe. Nous devons à cet effet prendre soin de notre santé physique mais aussi et surtout mentale. Vous vous demandez comment prendre soin de votre santé mentale par l'entremise des soins de soi. Voici quelques excellents conseils et suggestions pour vous aider à commencer. Vous vous demandez sûrement aussi quand est-ce qu'il faut commencer. Commencez les soins de soi la veille. La veille parce que lorsque nous dormons, notre esprit est peut-être inconscient, mais notre cerveau et notre corps travaillent ardemment pour nous garder en santé et assurer que notre corps fonctionne de manière optimale. Si vous vous demandez de combien d'heures de sommeil ai-je besoin, gardez à l'esprit que la recommandation est de 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit pour les adultes et qu'un manque d'heures de sommeil de qualité peut nuire à la fois à votre santé physique et à votre santé mentale. Vous assurez d'avoir un sommeil de qualité et d'une importance fondamentale pour votre routine de soins de soi. Pour améliorer votre sommeil, songez à prendre vos draps les plus confortables, à installer des rideaux obscurissants à porter des bouchons d'oreilles et à utiliser tout outil à votre disposition pour vous aider à vous détendre et inclure le sommeil dans votre routine quotidienne de soins de soi. Quelles sont les bonnes habitudes de soins de soi que vous pouvez adapter Pratiquez la gratitude. La gratitude parce que les soins de soi ne se limitent pas à prendre soin de notre santé physique, il est tout aussi important de prendre soin de notre santé émotionnelle. Tentez de commencer ou de terminer chaque journée en notant quelque chose pour lequel vous ressentez de la gratitude, qu'il s'agit de grandes choses comme la santé de votre famille, de votre emploi ou de petites choses comme un beau jardin que vous avez vu au cours de la journée ou le fait que votre groupe préféré vient de lancer un nouvel album. C'est tout un exemple. Faire de la gratitude un rituel quotidien en écrivant dans le journal de gratitude peut nous encourager à devenir plus conscients de notre environnement et nous aider à commencer ou à terminer la journée avec une attitude positive. Les meilleurs endroits où pratiquer le son de soi, c'est vraiment passer du temps en pleine nature, prendre du temps pendant le jour pour aller dehors, vous promener autour des maisons ou passer quelques minutes à observer les oiseaux dans un parc local peut nous aider à ralentir, surtout pour ceux qui vivent dans des grandes villes où les espaces verts sont rares. Si vous vivez près d'un lac ou d'un fleuve, profitez du temps, surtout en cette saison des pluies qui dure qu'un trimestre. Si vous vivez dans un endroit plus montagneux, escalader peut vous donner une nouvelle perspective. Selon le site www.allermieuxvivemieux.com, un plan de repas santé peut avoir un effet très bénéfique sur la santé mentale. Incorporer une variété d'aliments et de breuvages venant des cinq groupes alimentaires, comme les fruits, légumes, grains, protéines et produits laitiers, pour consommer tous les nutriments dont votre corps a besoin rester en santé. J'espère que ces conseils vous seront utiles. On se dit à très bientôt pour de nouvelles astuces et conseils dans la rubrique rose. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. mata ba su yarda da gayu ba gayu ba su yarda da mata ba kowa bai yarda da kowa ba kura ba ta yarda da maye ba mayan bai yarda da kura ba kowa bai yarda da kowa ba haka ta zaki bai yarda da dodo ba dodon bai yarda da zaki ba tsoho bai yarda da zaki ba ɗan 他给。 C'était la rubrique rose du studio Canon. Nous allons continuer notre émission tous à la fada inda yawa nan filin guntiye na muke ci gaba da tattauna akan maudu'in mu na yau. Zattuka ko in ce fi waɗanda ake yadawa cikin al'umma kuma suke kara kaifin matsalar na jinsi. Dans la deuxième partie, nous allons cette fois-ci parler de l'impact de ces mythes mais avant zan karkato wajen ku malam Tsalha. Kan mu je hutun nan, Samira ta fara ɗauko zancen yadda mutane suke karkata ayoyin Qur'ani ko kuma hadisai idan tana gyara su su juya su su murɗa su yadda suka ga dama sannan kuma akwai wani zance wanda yake cin mutane tuwo a ƙwarya wato matsalar kamar a ɗauko abin da bai shafi addini ba a danganta shi ma ko kuma a kawo wani amalgam ake ci a turance tsakanin addini da al'ada hakanan ne tunda akwai me ake cewa mutane suna hada addini da al'ada addini daban al'ada daban akwai yanzu abubuwa eh, wanda suka shahi addini wanda addini ya zo da wanda ana kawo su da hujjoji ne na ƙur'ani ko na hadisi ko ko na manyan malamai wanda suka zamna suka yi la'akari suka yi nazari a kan abu yanzu abin da ya shahi eh, zantan musguna mata da ake yi akwai wanda mutane diya ba har da maza ba har da maza bala <laughs> eh, akwai da mutane sun jahilci abin ne kwa ya in movies interpretation kwa religious wanda ake samu akwai kuma malamai da yawa ma da suke da kawo wasu hujjoji kwa wanda suke nuna cewa kamar mace vala mace tana baya sosai kwa to wannan kamar suna hada shi ne da al'adu al'adu ne wanda suke cikin kan mutane kwa wanda babu shi a musulunci tunda musulunci ya ba ma mace eh, ya ba ma mace incinta mhm. wanda nata na musamman wanda tana da inci ta abubuwa da dama kwa wanda ba dole sai maza za su yi shi ba to wannan kamar jahilci sura kware ko wannan haka ne <laughs> za ko kuma akwai karin bayanin da za ku yi muna dangance da wannan matsalar ta a hada addini da al'ada kuma a dauko a musgunawa mata merci eh abin da ya sa so da yawa ake hada addini da al'ada yawanci masu yin haka na ina iya cewa rashin eh, fahimta ne da kuma sannan rashin karatu misali za bisa kan yanzu a eh, na yarinya an tana da kankanan shekaru so da yawa sai ka ji ana ɗaukan ɗiya masu shekara goma sha uku sha hudu ana musu armi mhm. sai a ce a ah, ai addinin musulunci eh, saboda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ma arman shi da aisha tana da shekara tara

Comment est-ce que ces croyances contribuent à perpétuer les inégalités et les injustices sociales Je pense qu'on aurait dû commencer par euh, la tête. C'est peut-être de citer les différents types de, de VBG qui existent déjà. Vous avez les violences physiques, vous avez les violences sexuelles, les violences psychologiques ou émotionnelles celles dont personne ne parle et qui font de grands dégâts. Vous avez les violences économiques, par exemple le déni de l'accès à la terre pour les femmes. Et ces questions reviennent très souvent lorsque vous demandez aux femmes de citer les droits auxquels elles aimeraient avoir accès. Elles vous disent on veut la terre parce que c'est aux femmes qui reviennent la plupart des charges dans les villages. Je ne vous parle pas de Niamey, je vous parle des villages. Ces femmes-là qui vont écouter en langue ce débat et qui sont réellement concernées par ces questions de VBG c'est elles qui subissent cela, c'est elles qui se nourrissent, c'est elles qui nourrissent la famille, qui nourrissent les belles familles, qui entretiennent les petites filles et les petits fils. C'est ces femmes-là que cela concerne et elles ont besoin de l'accès à la terre. Et il y a également les violences verbales, les violences sociales, les violences culturelles ou traditionnelles, les violences institutionnelles. Ça, c'est plutôt en ville comme nous. Il y a les violences, la cyberviolence ou violence numérique qui aujourd'hui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur, surtout pour les web activistes comme nous. On nous insulte à longueur de journée, mais on fait fi de cela. Et les gens n'ont pas conscience que c'est une violence psychologique qu'on subit. Les mythes qui font que toutes ces pratiques se continuent à se perpétrer et à prendre racine, c'est que même quand vous discutez avec les principaux concernés, on n'arrive pas à dénoncer. Le processus de dénonciation de VBG au Niger jusqu'à présent n'est pas réellement clair. Et tant qu'on ne fait pas en sorte que ce soit clair, ça ne va pas avancer. Par exemple, moi, en tant que victime, je veux dénoncer, mais je n'ai pas une personne vers qui me tourner. On vous dit que pour dénoncer, parce que j'ai eu plusieurs fois à parler avec des victimes, des personnes qui voulaient dénoncer, on vous dit qu'il faut que vous alliez à visage découvert premièrement pour dénoncer. Ce n'est pas facile. Et surtout, on vous dit qu'il faut des preuves. Et sans preuve, on ne peut pas agir. Et ces personnes-là, ces victimes-là n'ont pas envie, surtout, de froisser. Imaginez une jeune fille qui se fait agresser par un gynécologue. Vous lui dites une telle, allez-y dénoncer. Elle vous dit, maman a dit de ne pas le faire. Tant qu'on ne dénonce pas, c'est ça le vrai souci. Les gens ont peur des répressions. Tant qu'on ne dénonce pas, on ne va pas sortir de ce processus-là. On a beau sensibiliser, reconnaître les signes de VBG, tant qu'on ne dénonce pas. Les bourreaux resteront parmi nous, on ne saura pas qui est bourreau. Et les victimes resteront parmi nous, on ne saura pas qui prendre en charge. C'est ça le souci. Merci beaucoup Samira. Et surtout, est-ce que vous voulez ajouter autre chose Voilà. Concernant les impacts que peuvent avoir les mythes et les VBG là, sur le, ça peut être sur le plan sanitaire, sur le plan émotionnel, psychologique et même social. Prenons le plan sanitaire. Euh, les victimes là, elles peuvent être handicapées, elles peuvent avoir des maladies, des infections, même le sida. Le plan, sur le plan émotionnel, là, elles peuvent être traumatisées, elles n'auront plus confiance en elles, et même elles, auront peur même des, humains. Ce qui va même euh, faire qu'elles seront réticentes à l'idée de dénoncer ces personnes-là. Sur le plan social, elles seront rejetées. Si ce sont des jeunes filles, elles seront pointées du doigt et c'est difficile pour elles de se marier en fait. Parce que chaque fois que. On connaît tous la bouche des gens. Quand tu parles, c'est le bouche à oreille que ça va. D'où la réticence de la dénonciation, comme l'a évoqué Samira mhm. Même si on veut les aider, on ne peut pas. Parce qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas faire confiance à quelqu'un. Quand tu vas leur dire non, on est là, on va t'aider, elles ne veulent pas vu que même se faire découvrir le visage là, c'est autre chose. Donc euh, c'était un peu ça que je voulais apporter. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On va partir pour la pause musicale de la Fada et on se retrouve juste après pour la troisième partie. nothing pop pop pop roja roja over i don't even tell you governor like he do me karashika make i no feel liver me way be john cena i say i swear you mine die baby girl now you be god design my life as your face they show now show your shoe design Tikele from my life, now you I choose. I don't they wonder if you everything I close. If I do you don't my baby boo, I'm sorry. You say I get too many girls, that run a story. But now you did my mind, I swear, say now you did my mind. I swear I know they lie, I dream about you all the time. Cause girl, you blow my mind, and I know fit tonight. girl, you do me bad. Yeah, yeah, oh yeah, G, oh yeah. Neno my bebe, oget kama no kama Lulu fea nukulaya nitonari foma Mami fem genye kiyobi muhima ni maka Pretty in your love is all I do for the living I tempted to touch your foreign booty ah. If I'm killing mom, still the love like that It's a full and love for back Oh baby this love is real I give you mama, put i a fish on. Turn up like Oba, boy, I can't wash. Then you forgot that, baby, I know say you like her. Money, magali, money, magali, let her dollar, ma. Dollar around to make us spray you are my dollar now. Parade for my body, yeah. drop my granite, oh, make it burn my bikini. oh. Oh, get you, oh, get you, come on.

kamar su wa'annan camfin wa'annan zantutukan da ake yi wa'anda ke haɓaka musgunawa jinsi ai sukan iya kawo cikas a kan cigaban ƙasarmu ma gabaki ɗaya idan zaɓe bismillah eh, irin wannan eh, eh, musgunawa da ake irin abu matsalolin da suke janyo mana a cikin ƙasa shine mi wasu irin cuta wadda irin cuta ta wala mhm. yoyon tsari da da sauransu kamar yadda irwa ta ce wani sida da sauransu cututtuka ne wanda ake ce musu contagious in kai Est-ce que, M. Um, Samira, je vais revenir vers vous. Euh, sur le long terme, quels sont les risques euh, que ces mythes peuvent engendrer sur les générations à venir ou même sur notre génération elle-même Actuellement, prenons le point sur, pour les violences psychologiques mhm. et physiques, parce que ce sont les plus, les plus récurrentes. Vous avez des consultations psychologiques. Allez demander aux psychologues combien ils se font sur les patients qui viennent juste parce qu'elles ces personnes-là ont été victimes de violences basées sur le genre, que ce soit les hommes. Il y a des hommes qui aujourd'hui n'osent pas se marier parce qu'ils ont été harcelés par des femmes, parce qu'ils ont été violentés par des femmes. Il y a des femmes qui menacent des hommes, leurs maris. Ces messieurs ne peuvent pas dormir. Il y a des, surtout excusez-moi, certaines femmes qui sont porteurs, qui ont des armes à disposition, elles, elles menacent leur mari de du pire. Comment est-ce que ces personnes-là vont dormir Comment est-ce que ces personnes-là seront productives au travail Prenez juste cette chaîne-là. Comment est-ce que ces personnes-là seront productives au travail Et on sait que quand la chaîne est rompue, il y a des conséquences sur toute l'administration. Prenez les violences physiques. Des personnes qui se sont faites agresser, blessées à vie, qui portent des stigmates, qui portent des, des traces à vie, c'est des pertes qui ne peuvent pas être rattrapées. Les violences basées sur le genre concernant aussi l'économie. Les femmes qui n'ont pas accès à la terre vous avez 56% de la population nigérienne est constituée par des femmes. Imaginez ces femmes qui n'ont pas accès à la terre, ces femmes qui ne peuvent pas exercer dans certains domaines dites seulement pour les hommes. Je crois que c'est une énorme perte pour notre pays. Nous sommes en train de reculer. Il n'y a pas besoin d'aller sur une autre génération. Actuellement, nous souffrons de tous ces maux. na gode sosai abin da samira ke nufi a nan shine irin daga cikin musguna wanda mata ke fuskanta akwai yadda ake hana musu gonakai da filayen da ya kamata su yi noma a rurke abu ne sananne wanda a nan kasar mu yawancin lokuta mata su ne ke ɗaukan ɗawainiyar iyali su ne ke fama da yara kuma daga cikin musgunawar da ake musu akan hana musu wajajen samu kamar filayen noma da sauransu a nan za mu dakata da tattaunawar tamu ta cikin fada ta yau amma kafin mu liƙe shirin namu za mu baiwa sainofili fili tare da la chronique du jour ami de la fada bonsoir Aujourd'hui, actualité oblige, nous nous penchons sur un sujet d'actualité préoccupant, les surdoses. Eh bien, amis de la FADA, chaque année, le 31 août, le monde se rassemble pour marquer la journée internationale de la sensibilisation aux surdoses. Cette journée vise à attirer l'attention sur les dangers des surdoses et à réduire la stigmatisation associée à la consommation des drogues. C'est aussi un moment pour se souvenir de ceux qui ont perdu la vie à cause d'une surdose et pour soutenir les familles et amis endeuillés. Au Niger, bien que le phénomène des surdoses soit souvent minimisé ou mal compris, il représente une réalité préoccupante qui mérite notre attention. La consommation de drogue est un problème croissant au Niger, en particulier parmi les jeunes des substances telles que le tramadol, la codéine, le cannabis et d'autres drogues synthétiques ont gagné en popularité ces dernières années. Malheureusement, avec cette consommation accrue le risque de surdose augmente également. Les surdoses peuvent survenir accidentellement lorsque des substances sont consommées en grande quantité ou mélangées avec d'autres drogues ou de l'alcool, amplifiant ainsi leur effet. Les conséquences peuvent être tragiques, allant de graves complications médicales à la mort. Manque d'information et de sensibilisation est l'une des principales raisons pour lesquelles les surdoses restent un problème caché au Niger. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les signes d'une surdose ni la manière de réagir en cas d'urgence. Les stigmates sociaux associés à la consommation de drogue poussent souvent les personnes à cacher leurs problèmes, empêchant ainsi un accès rapide aux soins nécessaires. De plus, la stigmatisation peut également dissuader les témoins d'une surdose de chercher de l'aide par peur de juger ou d'attirer des ennuis. Dans ce contexte, la Journée internationale de la sensibilisation aux surdoses joue un rôle crucial en brisant le silence. Elle encourage les discussions ouvertes et honnêtes sur la consommation des drogues et les surdoses. Elle met également en lumière l'importance de la prévention et de la réduction des risques. Par exemple, la distribution de naloxone, un médicament qui peut inverser les effets d'une surdose. Une sensibilisation accrue à l'utilisation de ces médicaments pourrait être un pas en avant dans la lutte contre les surdoses au Niger. Il est essentiel que les efforts de sensibilisation incluent non seulement les jeunes, mais aussi les parents, les éducateurs et les responsables de la communauté. En impliquant tout le monde dans la conversation, nous pouvons créer un environnement de soutien où les personnes se sentent en sécurité pour demander de l'aide. Cher ami euh, de la FADA, en conclusion, en ces 31 août, rappelons-nous que la lutte contre les surdoses ne se fait pas en isolant ceux qui en sont affectés, mais en les entourant de compréhension, de compassion et de soutien. En travaillant ensemble pour sensibiliser, éduquer et fournir des ressources, nous pouvons espérer réduire l'impact des surdoses au Niger. Chaque vie sauvée est une victoire et chaque pas vers une plus grande sensibilisation nous rapproche d'un avenir où les surdoses ne sont plus une réalité quotidienne. Agissons maintenant pour changer les choses et faire du Niger un pays plus sûr pour tous. Voilà, c'est tout pour euh, la chronique d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre sujet Bye bye. Merci c'est nous haka ne ɗan uwa matasa na muka kawo ƙarshen namu fada Aujourd'hui nous étions en compagnie de Samira Boubacar, cofondatrice de l'association James Suleiman Zelha, il est étudiant en biologie et aussi membre de l'ARDES tout comme Teifou Ousmane qui est aussi membre de l'ARDES. Nous avions aussi sur notre fada Aïcha Toussissé qui est la community manager de l'association James. kamar yadda kuka ji tare da su mun tattauna akan zantutukan canfi waɗanda al'umma ke yada waɗanda kan ƙara haɓaka zancen musgunawa jinsi inda muka ji su waɗanne ne ma waɗannan mine menene waɗannan zantutukan kan iya haddasa wanda yawanci abin da kan iya haddasawa ya danganta ne da abin da shi kankan shi zancen musgunawa jinsi kan iya haifawa a jikin al'umma a nan muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma gobe da Allah ya kai mu inda za mu dawo muku da wannan shigon amma wani bangare daban tare da samira ruwafi kafin nan huta lafiya.